Pour on démarre On démarre On démarre, assalamu Assalamu Assalamu alaikum. mbokki Bourguédé TV Je ñi nga xam ni ah, yéen a ñu suur fii Nous sommes ñu le ah, tribunal nous naan ko de justice bu Dakar di ah, le procureur de la République mu dans ay cadre wax ci li nga xam ni yi Sénégal di yëfi waxi Petrotim, ñu ciy tudd président de la République muy Aliou Sall du ci également président ak ay euh, ministre yi nga xam ni fi woon muy Aly BBC depuis mu def euh, déclaration euh, reportage am enquête ci affaire petrotim wax ni dafa am xaalis bu bëri bu nga xam daf cee génne daf cee jóge euh, te rek président nar koo jëfandikoo moom kese nguur gi opposition sénégalaise ak askan wi ku ci nekk mu ngi laaj fan la dëgg gi féete fan la dëgg gi féete fan la dëgg gi féete tey ji nag euh, bi Aliou Sall waxee ni moom dafay porter plainte te ñu rappeler que ni plainte ba mu waxoon sax bàyyi na ko moom Aliou Sall nee na dootul déposer plainte procureur moom war naa àddu ci yëf yi wax ak askan wi wax leen moom li nga xam ni moom moo tax ministre de de la justice euh, convoqué ko mu nekk nag événement bu nga xam ni tey jii comme ni ngeen ko gisee la presse nationale et la presse internationale ñoom ñëpp ñëw nañ ah, journaliste jóge na fu nekk ci àdduna gis ngeen ko ni rush bi ak salle bi ni mu xatee ak lépp waaw ñëpp a ngi ñëpp a ngi nii di wax dafa mel ni dañoo nar a changer salle parce que salle bi dafa fees euh, gendarme yi ñu ngi nekk di lijjanti di régler di régler kii bi comme ni ngeen ko gisee buur. sànq am na benn benn confrère bu ñëwoon dañu comme que salle bi dafa xat léegi dañu dañu war a génn dem salle 4 information boobu jotuñ koo confirmer mais maa ngi dégg gendarme bi sànq wax na tamit ba tudd salle 4 xaw ma ndax dañu fay mujjee déménager ou pas mais li ci mënti am mooy Cheikh Anta mooy présentement salle bi ni ngeen ko gisee nii télé téléspectateur euh, peuple euh, de du royaume de Bourguédé moy salle bi ni la fees na salle bi fees na fi la presse nationale internationale télévision radio ñëpp fi parce que nak euh, affaire bi événement la euh, mën nañoo wax dafa sax euh, un événement national fi dossier bi international parce que le problème BBC la mo waral toute cette mobilisation de la presse nationale comme internationale Cheikh Anta gis nga boobu ba léegi nag ñu ngi nekk ci dernier réglage yi presque ku ci nekk yaa ngi jéem a xool place bu baax gis nga confrères yi micro yi gars yi dinañ laal fii yëngal fii waaw mais lii lépp nag pour yéen ñi nga xam yéen seetaan Bourgueil TV c'est juste pour jox leen dégtal leen li nga xam ne moom moo fiy xewe ngeen en temps réel euh, TV et comme on l'a dit tantôt en wolof aujourd'hui toute la presse internationale et la presse nationale est regroupée dans le tribunal de Dakar nous sommes tous au tribunal de Dakar pour assister à cette déclaration on nous avait on nous avait fait part d'une conférence de presse mais aux dernières informations euh, on a ouï dire

mais ay ay ay nit yi procureur ay ay ay ay police ay ay gendarme ñoo ngi fii di defar boobu ba léegi dernier réglage yi comme journalistes yi également journalistes yi ñu ngi teg seen yi micro taal nañ seen ay seen ay minette éclairage yi taal nañ seen seen dictaphone ba pare mais beneen côté bi tamit gendarme yi ñu ngi ñu ngi defar ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi euh, installé gendarmerie ñu ngi installé également euh ngi waaw ah waaw waaw lool nak buur dina ko wax man chaise bima togon chaise bima togon ah lool nak nag ta nek man chaise bima togon dañ ma fa yëkëti man ak sama confrère man ak sama confrère bi 7TV mais journaliste TV5 dafa ñëw ñu jël ko tek ko fa parce que tubab la je sais pas quoi il faut ñu yëkëti ko ah mu ko yëkëti il faut mu yëkëti ko bu ko yëkëti yëkkatiwul man lool dina ko kaas devant le procureur parce que nak franchement amna lool lo xamni mom ñun mën nangu ñun ñëpp on est d'égal dignité on est des journalistes waaw ah jug na waaw kay merci beaucoup aha euh, ci ay collègues am mhm. ñoom bu ngi dégg remarque yi xajuñu fi yéen ngi dégg remarque bi boobu ba léegi ñu ngi wax salle 4 man sax d'accord naa xat na mais ñenn ñi aussi bu ñu ñëw en retard ba pare mujjee

ñoo ngi ñoo noonu ordonner les équipes du procureur ñu ngi nii di defar taxaw ci buntu bi. dernier réglage yi li nga xam ni moom la presse di def également moom moo am ci côté gendarmerie. mais nag il faut il faut il faut xam ni il va falloir que les confrères. ñu def ndànk ak euh, service d'ordre bi. Ah, parce que dans tous les cas procureur aussi fii la mës a defee conférence de presse. su ma ko gis mu defee ko ci beneen salle tribunal ñëw naa fi conférence de presse Khalifa Sall bi dossier Khalifa dossier Karim Wade aussi c'était dossier Mame la. Ah, dossier Karim Wade parce que man dossier Karim Wade crée non non non pour moi non femme femme ah, Aïda non non non pas Aïda Aïda aussi ci la uh-huh. femme bi assassiné Fatmata ah, Ndiaye Fatmata Ndiaye aussi la ok ak euh, récemment aussi problème mu bi fii la woon. voilà procureur fii tout le temps fii la doon defee conférence de presse am bi je ne sais pas nag euh, le temps bi nga xamante ni presse bi évolué na ko. dañuy dindi

salle bi dafa xat elle est elle est elle est étroite franchement ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi buuxante sax lay wax pour mëna tantane li nga xam mom mo fi wara a génn rek pour deftal leen ko ce ne sera pas facile mais inshallah allahu rabi dinañ ko dinañ ko dinañ ko ñoom 15 h lañu ñu ànd ci demande couverture bi. mu mhm. jigi dégg naa fi 15 h et quart mais ba tey nous sommes à 15 h 22 minutes pratiquement. Mhm. procureur yegg seegul see sax. kon procureur data tardé nga bëgg wax bu waaw procure xam nga nag doo nekk ci këram ne dafa tardé waaye daal en tout cas 16 heures la 15 heures lañ annoncé woon 15 heures et quart. accusé na retard. ok accusé na retard. le procureur a accusé du retard. accusé na retard. buur yow yaay wax retard procureur buur nga de. waaw nag procureur nag dafa tardé dafa tardé. sama nijaay la nag. ah waaw kon sunu nijaay sëñ Basirou daa tardé. accusé na un retard de 15 minutes. kon gars yi yéen a ko yéen a ko yéen a ko yéen a ko déggandoo ñun ñoo ko gisandoo également. La presse continue de s'affairer. On fait les derniers réglages, comme je l'ai dit tantôt. Euh, aujourd'hui, avec euh, Bourguet de TV, nous allons vous donner l'essentiel et en direct, l'essentiel de ce qui se passera dans cette salle, euh, cette conférence de presse du procureur de la République sur l'affaire dite Petrotim à Salle ou document UG. Parce que quoi qu'on puisse dire également, nous on a été invités à couvrir cet événement par rapport à cette histoire, à ce débat-là, à cette actualité euh, sur l'affaire Petrotim. Mais à la dernière minute, on, nous informe de temps à autre que c'est par rapport à des fuites sur euh, euh, un document administratif, que c'est par rapport à... On a même parlé de l'affaire de l'étudiant l'étudiant de l'UGB qui a été tué, comment il s'appelle encore Falou. Peut-être que le procureur va en profiter pour parler de plusieurs choses mais au moins, au moins à la base. Mais, mais qu'on cherche aussi, que le prétexte, c'est le dossier à euh, l'USAL. C'est pour cela que le, ministre de la, Justice l'a interpellé et a demandé qu'il fasse ces sorties-là pour qu'on éclaire les Sénégalais. Mais qu'on éclaire les Sénégalais par rapport à la fuite dont il parle sur ce rapport-là de l'IGE, dont on dit que le président de la République n'avait pas reçu, ou bien euh, euh, est-ce juste pour éclairer les Sénégalais par rapport à ce contrat-là qui a été signé entre euh, Petrotim et BP et dont on dirait qu'Aliou Sall a, bénéficié de, 10 milliards de, 10 milliards de dollars, soit 6 000 milliards de francs CFA. On ne sait pas. De dollars. On, ne sait. parce que ça m'est arrivé aussi ce matin. Mhm. Au lieu de dire 10 euh, milliards, voilà quoi, dit au lieu de dire 10 millions, j'ai dit 10 milliards. C'est 10 millions de dollars et environ 6 000 milliards de francs CFA. Non, c'est 10 milliards, un scandale de 10 milliards. Non. 10 milliards. 10 millions de dollars. 10 milliards. 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. 10 billions dollars. 10 millions de dollars. 10 billions. 10 de dollars. C'est comme ça qu'on dit en, en anglais, c'est 10 billions. to, to, to those who are following, following us from the United States or from the United Kingdom or Japan. We are here on Burgede TV to make you uh, watch live what is going to happen, the press conference of uh, the chief attorney of the Republic of Senegal, Serigne Bassirou Gueye, who is going to say, who is going to tell the people of Senegal about the question of how our resources are gonna be um, are gonna be um, taken care of. Um, um uh, I mean, I mean how um, the president and his brothers has come to allow to Petro team um, to give to Petro team the the, the, the possibility to be uh, among those who are supposed to exploit the resources while um, the enterprise, the society of Timis um, did not have the capacity to to to to to to handle it. il faut il faut il faut pour corriger comme un peu anglais bi corriger ma ma ma Euh, une, petite analyse mhm. par rapport aux sorties du procureur de la République. Mhm. On a constaté que pratiquement depuis trois ans, toutes les sorties euh, du euh, procureur de la République sont soit motivées par un dossier politique, pratiquement, je, ne dirais pas soit, mais tout le temps, ça s'est toujours passé comme ça. On se souvient de ces trois dernières sorties, pratiquement. la première sortie, le prétexte, c'était l'affaire Khalifa Sall la seconde c'était l'affaire Fatou Mokhtar Ndiaye et pratiquement troisième bi l'affaire baccalauréat Maintenant, maintenant quatrième bi la quatrième sortie en espace de 2017 2019 le prétexte aussi c'est politique. et 3 sur 4 donc. voilà voilà voilà voilà sortie procureur yëpp dossier politique nous avons motivé loolu nag xam naa dina euh, concitoyens yu et puis pratiquement ñu aussi danañ ci questions. parce qu'on voit rarement pratiquement il y a des assassinats y a des meurtres insécurité mais nous sommes des procureurs. mais quand il s'agit d'un dossier politique rek à la minute qui suit procureur dana envoyé dana def conférence de presse aussi procureur war na cee seetaat beneen ban démarche lay amaat parce que aussi politiciens yi rek nekkuñu fi ñun askan bi ci askan bi lañ bokk ñun nga xam ne ñu ngi dëkk ci àll bi gars yi ñu ngi sàcc suñu nag yi. ñu ngi sàcc suñu suñu vol de baa ngi fi viol yaa ngi fi. Mhm. sécurité baa ngi fi mais on n'entend jamais le procureur. voilà de la République Ça, yu génne di wax rek souvent dossier politique moo koy motiver aussi comme naa stratégie la xaw système la xaw mais aussi loolu war nañ ko revoir Cheikh mais c'est là qui justifie tout à l'heure ce matin quand on quand on prenait Guy Marissagna, c'est là qui justifie son attitude à l'endroit de la justice de son pays quand on lui a posé la question de savoir euh, comment comment il appréciait la sortie du procureur. Pourquoi déposer une plainte alors que le procureur allait, allait se saisir de l'affaire Guy Marissagna nous a, nous a bien indiqué que lui, il n'avait plus confiance en ce procureur-là. Et il a, il a, évoqué les affaires Khalifa et les affaires Karibouane, des affaires dans lesquelles on a entendu la justice sénégalaise se prononcer. Et finalement, on s'est rendu compte, selon, selon euh, ceux qui critiquent ou bien ceux qui apprécient ou ceux qui analysent que le parquet a toujours été euh, favorable au camp du régime, au camp du pouvoir. Maintenant, <clears throat> on va voir avec cette affaire du pétrole-là, parce que là, ce n'est plus une affaire entre des, des, opposants qui, qui, qui s'indignent d'une situation donnée, mais c'est une affaire entre le régime en place et le peuple sénégalais qui lui a confié ses ressources et qui lui a demandé de faire en sorte que les ressources-là reviennent à, ces populations. Donc, euh, on attend, on va voir ce qui va se passer. ñun euh, yaakaaroon nañ ne tey 15 heures et demi jot. procureur ba tey génnagul. yaakaaroon nañ ne yëf yi day commencé rek. moo tax ñu taal procureur ñoo ñu taal te la dugg bokk ak yéen. moo tax ñu taal a taal a taal télé bi. franchement ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi taaxiru dal en tout cas ñoo ngi taaxiru dégg nga confrère nena sonu nañu. procureur yegg seegul procureur lay ñëpp di xaar egg seegul ba légui ah, egg seegul ba légui ñoo ngi ñoo ngi toog. dañoo xaw taal laay bi tuti parce que biñ koy taal parce que on avait dit 15 h biñ xaaree ba 15 h 10 ñu né au plus tard pratiquement il va accuser lu mu yag yag manam euh retard 15 euh, minutes mais nak euh, ba légui 15 h 30 procureur yegg seegul. Ah. damaa yaakaar mais nag këram lañ nekk tamit nag. mais nag naa la xamal benn affaire de man retardu procureur bi béttu ma de. Guèye la sant. ngeen dañoo bëgg lekk. bootul mu ngay maa ko wax. bootul mu ngay lekk ay ay man moom damaa woor tey damay gunge weer bi mais moom xam naa ne gunge bu dikkee sax naa ko laaj. parce que la retard bi moom franchement nekk di añ war a naan lëwal ak affaire yooyu noonu bootul moo ko téye moom ak moom ak. man añaguma ñoom ak ñoom dudu jaw ak ñoom ki ñoo ci yam parce que aussi lool tamit ñu préciser ko na procureur ko dafa am ay substitut yu muy andal ñu top ci ginnaawam qu'on appelle les substituts du procureur ñoo ñoo wara ñew top ci siège yi ñu gis la fois passée aussi gis na so na substitut procureur bu nek euh, Pikine ñewon na aussi assister ko bobu mais nak bobu c'était le dossier Fatou Maktar Ndiaye xam lolo looloo taxoon puisque ci affaire bi constitution la bokk uh-huh. mais euh, chaise yi ngeen di gis fii la procureur war a toog ba tey ñu koy xaar yegg seegul ñaari chaise yi moom lañ teg uh-huh. waaw euh, olof Ndiaye nguur yegg seegul euh, procureur yegg seegul moom la ñuy xaar pour revenir pour dire que ni la presse rarement les presses di ñëw heure Sénégal fii presse da nga leen di convoqué mais souvent dañuy tardé mais tey bizarrement am na ñoo man bi may ñëw 14 heures Bima ma wootee dañ ne salle bi fees mais nag buur nag tey foofu moom dinaa dama fay xuloo ak yow man du ma rek yow ci loolu ah dañ pas parce que dañuy tardé affaire yooyu noonu mais yow xam nga dëkk bi li fi am yoon yi yombul vrai son ndax son bi mi ngi allo wax ndax. est ce que mu ngi normal son bi son bi est ce que mu ngi normal. joxaale ma sëñ boobu son boobu moo gën a mais je pense que ñi ngi doon dégg Omar Sarr.

Non, non, moom egsi à l'heure mais Bourg dëkk bi rek dafay xat parents saa de journalistes yi et puis organe de presse yeeg biir fii pour nga dugg fi da fay xawa metti nak c'est vrai que waaw tey c'est-à-dire rarement habituellement. Euh, les gens venaient à l'heure pile, ou le soir accusés de retard. Mais ils sont venus une heure avant. Une heure. Il y a des gens qui sont, qui sont là depuis 14 heures, pratiquement. Ils sont là depuis 14 heures. waaw léegi ak ay mbokam ñu ngay dugg kon dafa mel ni léegi tey euh, conférence de presse commencé gaa yi ngi jege si non non pour may ñi ñu jàll ah, d'accord

daal public euh, jamono ji nag euh, xam naa du yàgg tuuti rek euh, kii di Serigne Bassirou Gueye dina ñëw teew fii rek pour rek mën a jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi indi ay tontu li nga xamante ne moom moo nekk actualité bi boobu ak léegi ay semaine a ngi nii ñu ciy waxtaanee. Voilà, mesdames et euh, messieurs, chers téléspectateurs, euh, dans un instant, Céline Bassoligay euh, fera son appel ici euh, au bureau du parquet pour euh, s'adresser à la presse. Alors, on signale que c'est peut-être une déclaration par conférence de presse, mais rien n'est encore sûr. On attend juste l'arrivée euh, du procureur, le maître des poursuites, pour euh, apporter des éclairages ou bien faire sa déclaration par rapport à cette situation, euh, ce scandale à 10 milliards de dollars qui implique Ali Oussal, le frère du président de la République, Macky Sall. d'accord ça tv pratiquement, il euh, y a beaucoup de télé et radio qui sont pratiquement en, direct. Ah, mais, mais c'est l'événement qui est majeur pour boo depuis tout le bi ma ba léegi yaa envoyé un message dans le leen ma samay c'est l'événement qui est majeur procureur qui ñëw daa la non du procureur. non ñu chargé comme Daouda Ndiaye euh, chargé communication ministère de la justice. Moi moi mooy ñëw noonu Moi mooy chargé communication de la justice. puisque aussi c'est le ministère de la justice qui organise. C'est normal c'est ton un confrère. Daouda Ndiaye l'ancien ah, présentateur vedette. être waaw. Daouda Ndiaye. waaw ma wax rek événement bi moo laaj déglu. Mhm. teewaay bi. événement bi événement bi moom moo laaj teewaayu journaliste yi yëpp comme on l'a dit tey jii nag <laughs> gars yi kenn bëggul manqué bagage yi ñëw na boo tudd nañ buux caméra caméra yi nañ ko buux waaye procureur dossier bi bëri na de bour waaw motax ñi pousse micro yi parce que. mu ngi ñew mu ngi ñew bour procureur mu ngi ñew seigne Bassirou mu ngi nonu seigne sëñ seigne sëñ seigne sëñ Bassirou le procureur de la République. chers téléspectateurs euh, bourguedé vous suivez la conférence de presse euh, du procureur de la République Serigne Bassirou gay Voilà. Voilà le procureur Serigne Bassirou Gueye qui s'installe. Lui euh, qui s'installe. Voilà, c'est bon.

Est-ce qu'on peut y aller euh, Ouais, maintenant. C'est ça qui m'oblige. Donc c'est vous qui donnez le top, hein Vous pouvez voilà, Alors, euh, euh, chers, confrères, chers confrères, euh, bonsoir à tous. Un petit mot avant donc de commencer, avant d'entamer cette conférence de presse qui est théoriquement prévu pour durer une heure, 60 minutes, une heure. Nous nous arrangerons, puisque nous sommes des professionnels habitués à gérer le temps, habitués à la gestion du temps quelle que soit la nature des médias dans lesquels nous intervenons. Nous essaierons de tenir dans les 60 minutes. Sinon, on verra si on peut s'arranger un peu, un petit débordement, sans abuser, n'est-ce pas, monsieur le procureur, de votre patience. Il y a donc euh, deux jours, le 10 juin plus précisément, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malik Sall, rendait public par voie de presse un communiqué par lequel il souligne, je cite, à la suite de la publication d'une enquête sur les découvertes pétrolières au Sénégal, un rapport de l'inspection générale d'État circule sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Justice poursuit ce communiqué Soucieux d'éclairer les Sénégalais sur la gestion des ressources naturelles, a saisi le procureur général près la cour d'appel de Dakar pour l'ouverture d'une enquête complète sur l'ensemble des faits allégués, aussi bien dans le dit rapport qui n'a pas encore été transmis à Monsieur le Président de la République que sur les autres dénonciations relativement à la gestion des contrats pétroliers. Fin de citation. C'est donc en droite ligne de ce communiqué du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Malik et en application de la directive sur l'ouverture d'une enquête judiciaire que Monsieur le procureur de la République, Sérigne bonjour monsieur le procureur, organise ce point de presse euh, auquel ont été conviés les journalistes de la presse écrite, audiovisuelle, presse en ligne, etc. bref tous les journalistes à ses côtés, ses proches collaborateurs, le procureur de la République a son, donc euh, à ses côtés, M. Ali Sirengay, procureur adjoint, et Pape euh, Ismaël Diallo, premier substitut. Elle ainsi que tous les autres substituts. Peut-être que M. le procureur de la République nous présentera au fil de la conférence. Trois thèmes devraient être au centre de cette rencontre. Il y a d'abord, naturellement, les questions liées au contrat sur le gaz et le pétrole, le dossier du Centre des œuvres universitaires de Dakar, le coude qui fait l'objet d'un rapport de l'OFNAC. Et enfin, le cas de Feu étudiant décédé lors de, lors de manifestations estudiantines. La durée de cette conférence de presse, je l'ai dit, est prévue pour 60 minutes une heure au cours de laquelle il vous sera loisible d'échanger librement vos vues avec Monsieur le procureur de la République. Au reste, en matière de communication, ça c'est un petit mot que je glisse, hein. au reste en matière de communication, le ministère de la Justice entend inaugurer une phase de rencontre régulière avec la presse et d'établir un dialogue périodique et permanent avec les journalistes pour une information ouverte, transparente et objective. C'est la ligne de conduite que nous nous sommes assignés et que nous allons essayer, euh, à laquelle nous allons essayer de nous conformer avec votre collaboration, bien entendu. Monsieur le procureur, merci donc d'accepter de, de vous prêter au feu roulant des questions de mes confrères, mais au préalable, quelques mots en guise de préambule. Je vous remercie, monsieur le conseiller. Je voudrais remercier mon adjoint, monsieur le premier substitut, madame le délégué du procureur, et l'ensemble des substituts et collaborateurs qui sont ici présents. Euh, mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, beaucoup de rumeurs, beaucoup de commentaires, beaucoup d'accusations aussi, beaucoup de dénonciations ont été notées se rapportant au contrat pétrolier et gazier signé par le Sénégal. C'est ainsi que, soucieuse d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruit d'ouvrir une enquête sur les faits. Donnant suite à cette préoccupation et aux préoccupations de l'ensemble des citoyens et citoyennes, j'ai saisi d'une part euh, la division des investigations criminelles et d'autre part la section des recherches de la gendarmerie nationale. À la division des investigations criminelles, nous avons donné des instructions afin de mener une enquête complète et approfondie sur la réalité ou non de toutes ces accusations de malversation, de concussion, de conflit d'intérêts et que sais-je encore. À la section de recherche de la gendarmerie, nous avons demandé de mener des investigations pour situer les responsabilités dans la divulgation du rapport de l'IGE sur la question qui, qui ne serait même pas porté à l'attention des autorités. À partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachants, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements, à s'adresser à la, à la division des investigations criminelles pour éclairer les Sénégalais sur cette question. J'invite, avec une particulière insistance, tous ces grands connaisseurs des affaires du pétrole et du gaz sénégalais, tous ces fins analystes, spécialistes du pétrole et du gaz, à rediriger leurs efforts et leurs documents à la division des investigations criminelles. C'est là que utilement, l'enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d'avoir la lumière sur la. Vous aviez raison quand vous disiez que la balle est dans le camp du procureur. Du procureur. Je l'avoue. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Les enquêteurs vous attendent le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par nos soins de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage, de ne laisser en rade aucun document. En somme, de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles de mener à la manifestation de la vérité. Donc les enquêteurs vous attendent pour que les efforts de clarification quittent les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce premier point. J'aborderai une deuxième affaire, parce que lors de mes points de presse précédents, à chaque fois, la question est revenue. Les dossiers de l'OFNAC est principalement le dossier du Centre des œuvres universitaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Courant 2015, l'OFNAC a été saisi de dénonciations anonymes relatives à de prétendues malversations au niveau du cours. En résumé, à la fin de leur enquête, les enquêteurs, et notamment le directeur de l'enquête, a retenu de prétendus détournements sur deux montants essentiellement. Un montant de 127 837 530 francs, qui pour lui pouvait être imputé au commissaire-priseur qui était chargé de vendre le matériel réformé du coude un montant de 82 ou 89 millions selon les pages du rapport qu'il estime pouvoir être imputé ensemble au directeur de l'époque du coude, au chef du service de l'approvisionnement et à l'agent comptable du coude. Je voudrais ici féliciter les efforts des enquêteurs qui ont mené cette mission. Cependant, force est de reconnaître que l'exploitation du rapport nous a mis en face de difficultés assez sérieuses. Euh, je vais vous donner lecture, il me semble, utile de la onzième et dernière page de l'exemplaire numéro 1 du rapport original qui a été effectué. Je peux le faire sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale qui stipule. Je vous donne les dispositions de l'article 11. Toutefois, pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public. Le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure, mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenues contre les personnes mises en cause. C'est sur le fondement de cet article que je vais vous lire la onzième et dernière page du rapport. L'enquêteur dit, relativement au détournement de 82 millions, il dit que les responsables sont le directeur du coude, le régisseur, chef du service d'approvisionnement, est l'agent comptable et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service euh, de l'approvisionnement à encaisser l'argent auprès de l'agent comptable et à effectuer les dépenses. Fin de citation. Vous vous rendez compte qu'à partir du moment où le rapport qui impute des détournements finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé, il nous semble qu'il y a des choses à préciser. Mais la difficulté ne se situe pas seulement à ce niveau. L'autre difficulté est due au fait que, en matière judiciaire, il y a un principe sacro en matière pénale du contradictoire. Et de ce point de vue, je peux vous affirmer que en ce qui concerne le montant de 127 millions, la personne sur qui pèse la charge a été entendue, qui a donné ses explications, qui a donné ses arguments qu'il estime devoir produire. Cependant, relativement au montant de 82 millions ou 89 millions seront la page du rapport, pour ce montant, le directeur de coude à qui le montant est imputé n'a malheureusement pas été entendu. Le rapport ne lui a pas été encore communiqué. De même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le montant de tantôt est de 89 millions ou de 82 millions. C'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyeur. Le rapport sera retourné à l'OFNAC pour être utile, c'est-à-dire pour que le principe du contradictoire soit respecté. À l'issue, je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports. 17 rapports nous ont été communiqués jusque-là. Les notes explicatives ont été dressées. Le tableau synoptique a été établi. Euh, deux autres rapports viennent de nous être communiqués. Ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents, de l'ensemble de ces documents, nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Voilà donc pour vous dire que le parquet ne s'est jamais arrêté de traiter les dossiers qui lui sont soumis. Il reste que euh, le droit obéit à un formalisme et que donc euh, euh, le temps de la justice n'est pas tout le temps le temps des autres. Le dernier dossier que j'évoquerai, mesdames et messieurs, est relatif à l'affaire Faloussen. Faloussen, du nom de l'étudiant qui, le 13 mai 2018, à la suite des échauffourées qui ont eu lieu au campus de l'Université Gaston berger de Saint-Louis, fait partie de la... Donc sur l'affaire Faloussen, je dirais que le 13 mai 2018, à la suite des chauffourées sur le campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le décès du nommé Faloussen a été porté à l'attention du procureur de Saint-Louis. Après enquête, celui-ci m'a transmis le PV numéro 535 de la brigade territoriale de Saint-Louis. Et comme vous le savez, quand un militaire, dans l'exercice de ses fonctions, est suspecté d'avoir commis une infraction, il y a un formalisme particulier. C'est pour cette raison que, après le temps long ou court selon pris par le parquet de Dakar pour traiter cette question de façon très professionnelle, nous avons soumis aux autorités de la gendarmerie une demande d'ordre de poursuite. L'ordre de poursuite nous est parvenu il y a quelques jours. Dès demain, je saisirai le commandant de la brigade prévotale pour poser l'acte suivant de la procédure. Le moment venu, vous serez édifié. La procédure suivra son cours. Comme il en a été d'ailleurs à Pikin Gejaway, où mon collègue, le procureur de la République de Pikin géjawai a soumis au juge d'instruction de cette juridiction le dossier concernant la mort de Saliou Sarr du pape, dossier pour lequel les trois personnes qui étaient déférées ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Voilà dans un premier temps le propos luminaire que je tenais à porter à votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Je repasse la parole à votre doyen, Monsieur le conseiller technique Ndiaye. Merci infiniment, Monsieur le procureur. La discussion est donc euh, ouverte. Nous avons procédé au jeu de questions-réponses. Bien entendu, euh, il est difficile, euh, avec le nombre de personnes présentes, on s'en félicite et on vous remercie de votre présence massive, de trouver peut-être la formule. Alors je crois que on fait circuler une... Euh, qui souhaiterait prendre la parole pour ouvrir le débat. Il vous sera loisir, je crois, d'intervenir. Comment faire autant pour moi. Donc, euh, le propos liminaire rapidement résumé en wallon. Euh, je vous remercie encore waaw ñu ni dama waxoon ci tubaab koy jéem a dama koy tënk ci olof euh, maa ngi fàttali léegi nii fan yi walla weer yi wala sax at yi am na ay coow yu bari yo xamni jëm na ci pétrole bi nga xamné Sénégal dafa signé ay contrat jëm ci bi coow lu bari nak kilifa yi wax nañu ni dañu wuru dañu war ubi enquête enquête bo xamné du bayyi kenn du bayyi dara lu mëna tax sénégalais yi

képp ku ñëw daal bëgg cee indi ay leeral bu neex yàlla dina la déglu bu ko defee danañu rendre compte te saa buñ ci waree jokkuwaat ak yéen dinañ ci jokkoo ci kaw loolu tam saisir naa section recherche bu gendarmerie ndax fan yi am na benn rapport bu ñuy wax rapport inspection générale d'État rapport bi mi ngi circuler mi ngi génn nit ñi di internet bi rapport boobu ñu ni ko a jot jotuñu foofu sax duma fi tardé ndax même su fekkoon yi jot nañ ko rapport boobu kenn war ko génne fekk déclassifié ci kaw chef section recherche mu def enquête ngi képp xam nga dara ci mbir mi moo xam loo ci xam la moo xam document boo ci yor la moo xam information boo ci dégg la nga dem ci chef de la dig ak ay enquêteurs am dinañ la déglu parce que li ñu bëgg lépp te kilifa yi bëgg ko te yéen sénégalais yi aussi ngeen bëgg ko mooy mbir mi leer chef de la dig wax nañ ko ni enquête boobu nag comme moom ni mu ko mënee ndax ku ci xereñ la amul kumuy bay, amul lu muy bàyyi lépp lu mën a jariñ enquête bi dina ko ci indi kon nak ñu ngi leen di xamal ni ñi nga xam dañ ci am ay xam-xam yu xereñ lool dal nga xam bis fu nekk ñu ci waxtaan ci télé yi ak yoyu tay nañu xamne enquête bi dig lañ koy défé te du ci internet lay léré dig lay léré du ci télévision lay léré dig lay léré kon nañu dem tay mom képp koo xam ne mën nga nodd jàkka jaa ngi ne dig la nekk demal nga nodd bu lolou wesso amna fi dossier bo xamné aussi journaliste yi xaw nañ ma ci sonal muy mbirum kudd am kudd indi kudd jamono ju ne laaj ma ci man len dina leen ci wax tey dossier OFNAC yi dañoo bari 17 ngi fi yo xam ni rapport bi ko synthétise rek 17 pages dinañ ci wax ak yéen waye comme bi wax nañ ma ci ñetti yoon

ci jële ci rapport yoy wala ci enquête yi ay argument yu lèr yo xamné du ni diw mo def du ni diw deful way day wax rek li nga xamné mo nek ci mbir mi ci kaw la que légui enquête wu OFNAC bi des millions la ki def enquête daf ni amna des ak ñaar fuk ak ñaar ak lu ki nga commissaire priseur

nga déglu ko may ko moom mu wax ci xalaatam su deful dossier bi bu tribunal juge duñ ko mën a nangu ñu ni comme ci dossier bi directeur kudd boobu fi newoon kenn ko laajuñu ko xalaatam yónnee wuñu ko dossier bi comme niñ ko yénnee ki ma njëkk wala ko rapport yi fi nekk yëpp wax leen li ci xew ñu mën cee échanger ba benen jafé jafé bi ci dossier bobu moy comme lima wax léeg-léeg dañuy wax juróom ñet fukk ak juróom ben léeg-léeg juróom ñet fukk ak ñaar mais lolu sax mom téyewuñu waaye yenen yi nga xamné contradictoire la manam kuñu ñu dañ la wara déglu bobu mom yoon moñu imposer ñu def ko euh bi lolu passé dina leen wax ci dossier bo xam itam yaakaar naa ñor na dëkk bi mooy dossier Fallou Sène Fallou Sen moy étudiant bi nga xamné ne ca biir université Gaston Berger dafa amone ay manifesté bi manifesté yi jexé sama natango bi nek ndar muy procureur Saint-Louis xamal nañ ni ko amna étudiant bu tuddu Fallou Sen bo xamné dafa dé ray nañ euh, sama collègue bobu def na def lu na enquête ba yónnee na ma procès verbal bu gendarmerie bu Saint-Louis waaye dossier Bo xam ni dañu ci am luñu ñu militaire Bo xamni dafa nekkon ci walu liggéeyam su amé charte yoon daf ñu tek ne amna yeneen mbir yu ñu wara def yo xamni day yokku ci li nga xamni mom moom lañ daan def bu doon dossier bu melul noonu mooy li nga xam ordre de poursuite la boo xam dañ ko a jot mu jóge ci kilifa gendarmerie yi loolu nag ñu dossier bi jël nañ temps bi nga la dossier bi ak saytu dossier bi laaj gis nañ ni ci dossier bi war gendarmerie gendarmerie ñu ñu nga amul gendarme fan yi ci ginnaaw ministre des forces armées tontu nañu yónnee nañu këyit boobu kon fi mu ne nii ñun ñoo ci des ma di leen xamal ni suba incha allah dinaa yónneewaat dossier bi brigade prévotale wax ko ni na defaat jéego bi nga xam ne moo topp ci fii ñu yem jéego boobu bu ko jëlee yéen ñëpp di ngeen xam ban jéego maa ngi leen di gërëm di leen sant

Bonjour La Bonjour. Jour Bonjour. Je le connais. Justin Gomis. Justin Gomis. Justin Gomis. Quel organe s'il vous plaît Le quotidien. Le quotidien. Le quotidien. Le quotidien. Justin, c'est le quotidien.

épinglé ki nga xamante ni moom ni directeur euh, bu COUD ne dafa am euh, benn détournement ci ay wàllu malversation moom tamit nag euh, xam ne na ne fi ne nii dossier boobu noonu dafa daanaka dafa mel ni rek dossier matagul mais moo tax it ñi war a def li nga xamante ne moom moo di retour à l'envoyeur delluwaat dossier bi ca fu mu jóge pour rek ñi mën a yeggali li nga xamante ne moo di càmbar yi pour rek affaire boobu noonu mën a leer ci càmbar yooyu noonu dafa manqué li nga xamante ne moo di dégluwuñu ki nga xamante ne moo di directeur COUD bi di Cheikh Omar Anne moom dégluwuñu ko woon moo tax it nag ñuy delluwaat dossier bi pour rek ñu mën a yeggali liggéey boobu ñu leen dawalaat dossier bi baat ñëwaat encore pour rek procureur mën a yeggali li nga xamante ne moo di liggéeyam gannaaw loolu tamit wax na si li nga xamante ne moom moo di dossier Fallou Sène Fallou Sène di étudiant bu nga xamante ne moo gaañoon fële ca université Gaston Berger tamit nag si dossier boobu noonu euh, am na benn jéego bi nga xamante ne war nañ koo tëral tamit si fan yi fan yi di ñëw noonu la parce que daa amoon daa rek Merci, merci. Merci, doyen. C'est Cheikh Antasek, directeur de publication du site d'information Le Monde à Dakar. Monsieur le procureur, en 2017, le Premier ministre Abdoul Mbaye avait fait une conférence de presse au cours de laquelle il avait publié une série de contrats pétrolier en demandant aux populations sénégalaises de fournir les informations qu'ils détiendraient par rapport à ces contrats-là. Doit-on comprendre que ces contrats publiés par le Premier ministre sont faux Ma deuxième question, et je vais l'emprunter à l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui s'est permis de, de, jouer aux journalistes ce matin. Il a déclaré vous avoir interpellé par rapport à ces contrats-là. Aujourd'hui, quand vous demandez aux populations ou bien aux citoyens sénégalais de se rapprocher de la DIC pour donner les informations qu'ils détiendraient, est-ce que ces personnes-là qui ont parlé à travers les radios, les réseaux sociaux et les télévisions seront directement interpellées pour venir répondre et donner les informations qu'elles détiennent Je vous remercie. de contrats qui auraient été publiés par M. Abdoumbaye. Non, le père. Ah, par... Donc tout à l'heure, dans votre question, je crois que vous avez dit. C'est la deuxième question. Non, non, même là pour la première. Ah. Donc pour le contrat du Premier ministre. J'avoue que je n'ai pas été destinataire de ces contrats. Moi, je viens de prendre le dossier en charge. Je ne sais pas à quoi retournent ces contrats dont vous parlez. je viens d'être saisi du dossier et j'ai saisi le chef de la DIC pour enquêter. Donc, tout ce comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui sont détenteurs de contrats ou de pré-contrats pourront aller, ou toute personne qui a des informations sur les dix contrats pourra aller au, niveau de la DIC, y compris vous-même, où vous êtes, loisible d'aller au niveau de la DIC pour éclairer leur lanterne. Euh, vous avez dit que M. Abdoul Mbaye, maintenant, je crois que cette fois-ci c'est ça, m'a interpellé sur, euh, sur ces contrats. Je n'ai pas entendu son interpellation. Peut-être que sa voix n'était pas audible. Mais j'attends. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, le chef de la DIC est saisi. Toute personne, y compris M. Abdoulaye, qui a des informations apportées à l'attention des Sénégalais, faut aller le faire au niveau de la DIC. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. La DIC est saisie. Aucune personne ne sera épargnée, comme je l'ai dit. Aucun document, une information ne sera négligée. Donc, à supposer que le procureur est tardé à réagir, aujourd'hui, je crois que la balle est dans le euh, Merci, monsieur le procureur. Fatoussi, enquête. Alors, euh, moi, je c'est qui à J'ai euh, deux questions. Oui, la première, monsieur le procureur, euh, les, les négociations euh, concernant les contrats pétroliers, on date pas de Quelle garantie vous donnez à l'opinion, euh, allez-vous donner à l'opinion euh, qui pensent que euh, vous, qui que les procédures sont unifiées parce que il y a, parce que euh, le c'est Alim San qui est cité, c'est une autre qui qui est cité. Donc, quelle garantie donnez-vous à, l'opinion donc pour qu'on sache que la, justice, n'est que n'est que mue par n'est que mue par une volonté de faire faire manifester la vérité. La seconde question, c'est par rapport. à... Moi, n'ai pas bien compris cette question. Oui une, partie de l'opinion pense que la, même, la, procédure est initiée parce que uniquement les accusations concernent, euh, concernent Donc je dis, quelle garantie donnez-vous quand même pour qu'on sache que la, la justice n'est que mue par une volonté de faire manifester la vérité parce que les dénonciations quand même ne datent pas d'aujourd'hui. Si on se rappelle déjà en 2017, l'opposition avait annoncé déjà une plainte donc concernant les contrats pétroliers. La seconde question, c'est par rapport à l'appel à, à, témoins dont vous de faire. Est-ce qu'il y a des garde-fous quand même hein? Quelles sont les mesures qui sont prises pour que tous les témoignages puissent être acceptés Et au cas où, par exemple, une personne, un, témoin, ne serait pas accueilli euh, par, les autorités, par les autorités, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que la personne a peut faire remercie. Autrement dit, cher conseil, vous craignez une sorte de délation, qu'il n'y ait de dérive. Bon. N'est-ce pas, c'est ça Il y a une sélection quand même dans, les témoignages. Euh, je vous remercie. Euh, vous avez dit, Quelle est la garantie que nous pouvons donner aux Sénégalais pour montrer que le dossier n'a pas été juste déclenché parce que le nom d'Aliou Sall a été cité la garantie, c'est ça. Je crois que ça peut même régler, ça peut être réglé par votre deuxième question. C'est-à-dire nous ne fermons pas l'enquête. Nous l'ouvrons aux journalistes, aux hommes politiques, aux membres de la société civile et à toute personne qui veut témoigner. Donc aujourd'hui, je l'ai dit dans mon propos liminaire, on n'épargnera personne. On ne négligera rien du tout toute personne désireuse de porter un témoignage utile pourra le faire au niveau de la DIC. Il reste entendu qu'il est bien, c'est vrai, tout le monde n'ira pas là-bas parce que tout le monde connaît euh, la dextérité et le professionnalisme des enquêteurs de la division des investigations criminelles qui savent quand même distinguer la bonne graine de livret. Donc, le chef de la DIC vous attend et puis... Maintenant, euh, quelles sont les garanties si une personne allait à la DIC et que celle-ci refusait de la recevoir Je vous donne la garantie que ce n'aura pas lieu. La garantie, c'est moi. Euh, non, il y a une liste. S'il vous plaît, attendez la deuxième liste, s'il vous plaît. Euh, Joe Maron. Euh, je vous remercie. Euh, Joe Maron de RFM. procureur, on voit que avec euh, ces contrats pétroliers. Ça n'est pas d'aujourd'hui, de euh, l'a vie. Mais à, l'époque, euh, quand on parlait un peu de, l'affaire Khalifa Sall, il y avait une rapidité dans le traitement de ce dossier. Aujourd'hui, il y a un peu parce qu'on évoque son nom à chaque fois. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas encore une réaction. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui ce retard noté dans le traitement de ce dossier-là Parce que depuis 2017, quand même, les gens parlaient un peu de cette affaire et Aloussal était toujours cité dans l'affaire. Je vous remercie. Quand ça va vite, on dit que ça va vite parce que c'est Khalifa Quand ça va lentement, on dira que ça va lentement parce que c'est Aliou C'est toujours des salles. Donc quand ça va vite, c'est un sale. Quand ça va lentement, c'est un sale. Donc ça montre que effectivement pour nous, ce qui est important, ce n'est pas un sale ou un job. Ce qui est important, c'est que le temps, si le procureur devrait à chaque fois parce que maintenant, la mode au Sénégal, c'est l'autosaisine. Pour se faire une publicité, il faut créer son parti politique. Le lendemain, attendez vraiment euh, qu'une vache meugle pour euh, saisir le procureur d'une dénonciation et puis dire que le procureur a été saisi et il n'a pas réagi. Le procureur ne peut pas faire cela. Nous, nous agissons sur la base de faits précis. Les plaintes dont on vous parle ne sont accompagnées d'aucune documentation. Les dénonciations dont on vous parle ne sont accompagnés d'aucune explication. Aujourd'hui, nous estimons que le moment est venu où nous avons un hmm. ensemble de faisceaux qui puissent nous permettre de saisir l'enquêteur. Et c'est en ce moment-là que nous le ferons. Et ça, c'est de la responsabilité du procureur de dire, euh, voilà le moment venu pour faire une enquête. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Vous voulez que le dossier soit rapide, ça dépendra. Parlez à ses connaisseurs, ça dépendra de la rapidité avec laquelle ils iront alimenter le dossier de la DIC. Et aussi, la DIC, c'est vrai, ne compte pas seulement sur ça, mais nous avons aussi d'autres pistes. Et je vous ai tout à l'heure dit que nous ne négligerons aucune piste. Justin. Bonjour, c'est Justin Vous avez énuméré dans votre propos liminaire un certain nombre d'affaires sur lesquelles vous êtes Ma question est de savoir euh, qu'est-ce qu'il en est de l'affaire de Est-ce que vous vous êtes